Le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio Kalamkou, le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous, au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par la situation sécuritaire qui se dégrade dans la région de Difa. L'actualité est surtout dominée par la crise de l'école au blocage de l'université vient se greffer les des agitations au secondaire. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Boukar Sedikali, journaliste et analyste politique. Boukar Sedikali, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, euh, bonsoir. Bonsoir. Et Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par la situation sécuritaire dans la région de Difa. Mardi, des présumés membres de Boko Haram ont attaqué la gendarmerie de Difa avec prise d'otages. Amenés au village de Tam, les terroristes ont fait des victimes. Boukara Sedikali, avez-vous des précisions sur le bilan exact de ces attaques avec cette fois-ci la prise d'otage euh, chez un gendarme Merci euh, Mokhtar. Euh, il faut quand même l'admettre, la situation elle commence un peu à tourner au cauchemar dans la région de d'Ifa, surtout avec les derniers événements que vous connaissez depuis l'attaque de Ngigimi, il faut un peu remonter quand même. Euh, c'était un événement dramatique parce que ville et Ngigimi, c'était vraiment euh, des lieux qui étaient épargnés jusqu'à cette date. Mais malheureusement, récemment, Ngigimi a fait l'objet d'une attaque. Il y a eu aussi là aussi prise d'otage, malheureusement. Il y a une kamikaze qui s'est fait exploser dans la maison d'un gendarme, donc euh, avec ses conséquences dramatiques. Et là aussi, il y a eu le même mode opératoire qui a été utilisé à Difa après l'attaque de la gendarmerie, et prise d'otage avec euh, euh, conséquences aussi que vous connaissez. Alors, euh, on constate que quelque part, il y a, je ne dirais pas un relâchement, mais il y a une sorte de regain, bah, vous, du côté vraiment, en tout cas, de la violence du côté de Boko Haram. Et c'est dû à quoi, moi, malheureusement, je ne partage pas la même opinion avec certaines personnes qui disent que l'État a failli, se désengager. Euh, vous savez, dans ce genre de conflit-là, il y a toujours des hauts et des bas. Donc euh, rien n'est sûr dans un combat asymétrique comme euh, ce genre de combat, et surtout quand vous avez affaire à un ennemi qui n'a pas une d'étiquette. C'est-à-dire non seulement d'étiquette, mais une stratégie bien planifiée. C'était une tactique de guerre vraiment en tout cas régulière. souvent, c'est vraiment des groupes qui disparaissent à jamais dans la nature et qui se récréent ailleurs vous ils ont des modes opératoires qui ne cadrent avec aucun standard en matière vraiment, en tout cas, de guerre moderne. Donc, euh, ils ont disparu à un moment donné, ils ont été matés, vous savez, les conséquences, c'est-à-dire que les revers qu'ils ont subis dans le lac Tchad avec l'offensive de l'armée. Mais malheureusement, ces derniers temps, on constate qu'ils reviennent à la charge et moi, je mets ça sur le compte du barreau d'honneur. C'est un barreau d'honneur et il ne faut jamais vraiment, en tout cas, baisser les bras. Dans tous les cas, nous, nous détenons euh, vraiment la légitimité, nous sommes du bon côté. Euh, nous avons euh, le devoir et la de défendre un peuple, une nation, la loi et tout ce qui est vraiment en tout cas bien. Et eux sont dans la logique du mal, de tuer l'être humain, de vraiment en tout cas détruire des cités. Donc vraiment, je, euh, je pense personnellement que ce regain vraiment en tout cas de violence ne doit pas nous faire vraiment en tout cas déroger de notre objectif qui est de finir totalement avec ce groupe vraiment en tout cas mafieux, ce groupe sanguinaire qui est vraiment Boko Haram. Mais aussi de l'autre côté, il faut aussi noter certaines euh, vraiment en tout cas avancées. Et certaines avancées parce que ce matin, rien que ce matin, nous avons une information qui est vraiment assez capitale, surtout vraiment dans le contexte un peu délétère actuel. Euh, il y a les trois femmes qui ont été prises en otage. le 14 décembre. Voilà, entre Kabila et Ngigimi. Les trois femmes ont été libérées, euh, rien que ce matin. Donc euh, je crois que l'armée est partie les récupérer vraiment à Toumour. Donc qu'est-ce qui a vraiment en tout cas précédé vraiment, en tout cas, leur libération, on n'est pas dans leur secret, on ne connaît pas, mais ce qui est sûr, c'est une bonne information. Et nous, notre souhait, c'est que vraiment les femmes aussi de Ngalewa euh, vraiment en tout cas soit traité de la même manière qu'il y ait vraiment en tout cas des négociations, même si dans tous les cas ce n'est jamais mauvais. Donc l'essentiel est que qu'on arrive à libérer les nôtres, euh, ou quelle que soit la forme vraiment en tout cas il faut négocier et les libérer. Hassan Boukar, il y a quelques semaines, des populations se réfugiaient à Difa et voici que ces terroristes sont dans la même ville et cible euh, l'endroit le mieux gardé de Difa. Euh, comment l'expliquer et quel est l'état d'esprit des habitants de Difa après cette dernière attaque Merci beaucoup. Je pense que <clears throat> euh, Sidika a parlé de cauchemar. Je pense que <clears throat> Euh, le mot n'est pas de trop pour caractériser ce qu'il y a aujourd'hui dans cette région de d'Ifa. Euh, vous l'avez dit, les gens qui étaient dans les villages, notamment qui pensent que les villages sont très proches euh, de, de, on appelle ça, du bassin du lac Tchad, des terrains des opérations, ont pensé qu'elles pouvaient être en sécurité en venant vers Difa ou d'autres gros centres de, de, la région. Mais on se rend compte que la ville de Difa elle-même, elle n'échappe pas. Et là, je pense que la dernière fois que DIFA a été l'objet d'une attaque directe, ça doit être en février 2015, ça fait déjà quelques temps. Donc ça montre qu'aujourd'hui, euh, un autre pas a été franchi par ces groupes euh, terroristes. Euh, je comprends bien l'analyse des Sidi qui montre que vous avez en face un ennemi qui n'est pas une armée classique. Donc il y a un problème de lisibilité de sa stratégie sur le terrain. Mais ça montre quelque part que notre armée a aujourd'hui quand même euh, beaucoup de difficultés à faire face à ces gens. Euh, elle a déjà perdu un lourd tribut face à ces groupes, sans euh, foi, sans loi, il faut le dire, qui attaquent partout, qui n'est pas ni des femmes, ni des enfants, ni des, des groupes religieux, contrairement à ce qui a été dit au début de Boko Haram aujourd'hui. Et donc, ça montre quelque part qu'il y a aujourd'hui un, vrai problème sur la région, en dehors de de, ces places fortes, entre guillemets, comme DIFA, comme Gigimi, qui concentrent aujourd'hui la présence des FDS, c'est comme si sur le terrain, ces groupes ont une facilité de mouvement. Et là, c'est pour ça que les, dans les villages, les gens sont très inquiets. Euh, lorsque les parlementaires de la région des DIFA ont dit il y a quelques jours qu'il fallait une présence de nuit comme de jour des FDS sur le terrain pour sécuriser les populations, ça montre quelque part qu'il y a quand même une présence de plus en plus inquiétante de ces groupes terroristes euh, en dehors des places fortes, là où il y a des armées, là où il y a des garnisons comme Guigimi, comme, comme Difa. Donc ça fait vraiment une situation très inquiétante aujourd'hui sur le terrain. Euh, tout le monde ne peut pas venir s'installer à Difa. C'est quand même une région très vaste, la région de, de Difa. Mais les gens sont obligés de quitter là où ils pensent qu'ils sont beaucoup plus exposés à l'ennemi. Alors, ce qui a changé, c'est peut-être aussi la situation de la Comadougou. Je pense que ce n'est pas une surprise, euh, euh, même pas pour le gouvernement, hein, puisque déjà, on se disait que si les eaux de la Comadougou deviennent faciles à franchir, ça veut dire que ça expose davantage la ville de Et euh, puisque c'est quelque chose qui s'est fait dans une zone autour d'une frontière partagée avec le Nigeria, probablement aujourd'hui euh, cette situation d'inter-mandat au Nigeria, puisque Buhari a été déclaré vainqueur, mais je pense que le processus n'est pas encore totalement achevé, il ne s'est pas définitivement installé, et ça fait qu'ils ont une facilité de mouvement, mais c'est quand même quelque chose euh, d'extrêmement inquiétant. Alors là, Sidi a rappelé justement ce mode euh, opératoire qui fait que parfois ils s'en prennent à la famille des FDS, en Guigimi comme à euh, ma crainte, c'est que ce type de situation, ça pousse souvent les, agents de l'État à évacuer leur famille. On l'a déjà vécu à dix fois dans les années antérieures, lorsque l'insécurité a atteint un niveau. Et donc, le risque aujourd'hui, c'est d'arriver à une situation de panique. Si on arrive à une situation de panique, euh, ce n'est pas du tout intéressant. Je pense que les FDS se battent et j'ose espérer euh, qu'elles pourront, euh, pourront de nouveau sécuriser davantage. Elles ont porté des coups il y a quelques temps. On s'est tous félicité de ce qu'elles ont réussi. Je pense qu'il y a encore un travail à faire sur le terrain afin de neutraliser davantage ces groupes. Mais pour l'instant, vraiment ma crainte, c'est qu'il y a une situation de panique. Quand il y a une situation de panique, euh, c'est vraiment difficile à contrôler. Mais Hassan Boukar, l'attaque euh, du village du Tam dans la commune du Maine-Soroa a quand même surpris euh, beaucoup. Alors, pourquoi pour moi, moi c'est surprenant pour moi ce village de Tam est resté quand même un village qui a été souvent cité depuis le début des, des, des attaques de Boko Haram comme un des villages où des ressortissants ont été impliqués dans ce mouvement je ne suis pas capable de vous dire combien de personnes sont parties. Je connais bien le village de Tam depuis les années 80. Alors, dès le début, on a dit que c'est un des villages les plus impactés par cette présence de Boko Haram dans la région. Et du coup, les gens avaient beaucoup peur. Mais apparemment, c'est pour la première fois que Tam a été attaqué. Alors, euh, on a vu beaucoup de villages dont on soupçonne des ressortissants sont allés à Boko Haram attaquer, mais Tam n'a pas été attaqué. Et donc, c'est pour la première fois que ça arrive. Alors, quelles sont les raisons Est-ce qu'il y a des détails sur place que moi je n'ai pas C'est possible. Euh, je me rappelle euh, il y a, peut-être six mois ou sept mois, j'étais un peu dans, dans, la région de Difa, un peu sur la zone frontalière. J'ai rencontré des gens de avec lesquels j'échange un moment. Euh, ils disaient d'ailleurs que pour aller à la localité de Kanama, qui est là en territoire nigérian, à la frontière, à juste quelques kilomètres, c'est très proche parce que dans les années 80, la, la population à Tam prenait des graines de mil pour aller les faire écraser dans des moulins à Kanama. C'est très proche. Et Kanama, c'est apparemment le village du fondateur de, de, de Boko Haram, puisque Youssouf, on pense qu'il est de cette localité. Alors, à un moment, les gens de, de, de, de euh, eux aussi, ils soupçonnent les gens de Tam parce que les gens de TAM, on les considérait comme étant des gens dont les enfants sont Alors aujourd'hui, pour la première fois une attaque vraiment sanglante avec un chef de village tué, enlèvement et tout ça. Et donc, euh, il y a peut-être des choses nouvelles qui se passent sur le terrain, sur lesquelles, évidemment, il est imprudent de dire tout de suite voilà ce qui se passe. Garé Amadou, l'état d'urgence décrété dans la région de Difa depuis plus de 4 ans n'a pas empêché la multiplication des attaques des groupes armés non étatiques. Qu'est-ce qui ne marche pas Oui, vous savez, la guerre, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique, c'est très compliqué. Les États-Unis, c'est la première armée du monde, ça n'a pas empêché le 11 septembre que des, terroristes prennent des avions et qu'ils les écrasent contre le World Trade Center, etc., contre le Pentagone. C'est très compliqué la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui, qui s'est passé au niveau de Ménesoroa, il faut jamais oublier que... Au, niveau du village de Tam. au niveau du village de Tam, il faut jamais oublier qu'il y a une guerre dans la guerre. C'est-à-dire que... Une guerre dans la guerre, c'est-à-dire... Je m'explique. Il y a la guerre de Boko Haram contre les armées des pays de la sous-région mais il y a la guerre au sein de Boko Haram avec les factions de Al-Barnawi et la faction de Shekau. Al-Barnawi a été reconnu par l'État islamique. Et ils sont en train de se régler les compte. Je me dis que quelque part, c'est la branche de Barnawi qui a attaqué le village de, de Tamla. C'est une supposition. C'est une supposition, je pense. Je fais une analyse mhm. pour moi. Parce qu'un village qui n'a jamais été attaqué, qui est soupçonné d'être proche de Shekau, et là, on attaque ce village-là. Je me dis que quelque part, il y a ce règlement de compte au sein de Boko Haram qui est en train de se dérouler. Donc, il y a la guerre de la guerre. Maintenant, Concernant ce qui s'est passé au DIFA, effectivement, je suis d'accord avec euh, Bokar. les populations ne sont pas rassurées parce que euh, pensaient que DIFA euh, pouvait être épargné avec le déploiement des forces de défense et de sécurité. Maintenant, le groupe terroriste, l'État islamique, qui a revendiqué déjà, c'est la branche de Barnawi qui a revendiqué l'attaque, qui a dit que c'est quatre kamikazes qui sont partis, qui ont fait l'opération. Maintenant, c'était En fait, il y avait une opération de communication qu'ils voulaient faire. Ils voulaient peut-être démontrer qu'ils pouvaient frapper partout quand ils le veulent. Est-ce que vous comprenez Malgré tout ce qu'on déploie comme dispositif secrétaire, ils voulaient montrer. Cela n'est pas une défaillance, comme euh, l'a dit euh, Non, c'est compliqué, quoi. Vous comprenez Parce que, comme l'a dit Sidik, ce n'est pas une guerre classique où on voit l'ennemi c'est-à-dire, on sait que l'ennemi va traverser la frontière, et voilà, comme on, le connaît, quoi, comme, voilà, avec une armada. Aujourd'hui, je vous dis qu'un groupe terroriste, quand il est en situation de difficulté, comme il a dit, c'est des barreaux d'honneur. Ils peuvent s'infiltrer ils peuvent s'infiltrer pour faire des attaques, euh, en tout cas des, les, derniers soubresauts, vraiment pour se faire exploser et faire des dégâts. Parce que c'est les signes. Vous savez ce qui s'est passé en Syrie avec l'État islamique euh, vers la fin. Euh, ça, ne fait pas longtemps, ça s'est passé même à Ngingimi. Oui, voilà. C'est-à-dire que. Il n'y a pas longtemps, ça s'est passé. C'est-à-dire que déjà, il y a des problèmes au sein de, de Boko Haram. Et quand je dis Boko Haram, les deux factions, il y a même une troisième faction, celle du Camerounais, comme comment on appelle, Mohamed Nour, je crois. Voilà. Donc il y a même cette faction-là. Lui, il a même été liquidé par ces éléments qui le soupçonnaient d'être un peu complice des autorités nigériennes parce que c'est lui qui était utilisé dans le cadre des négociations pour libérer les otages. Les premiers otages nigériens qui avaient été libérés. Les filles de Chibok. Oui, oui. Quelques filles de Chibok, c'était lui qui était. Donc on l'a soupçonné et puis ils l'ont, fait un, enfin, un procès euh, euh, express euh, rapide et puis ils l'ont exécuté. Donc il y a, des problèmes au sein de de la nébuleuse et on sait que Aboukar Shekau, sa, particularité, c'est que c'est un sanguinaire. Parce que c'est quelqu'un qui vient dans une mosquée qui s'est fait exploser. C'est quelqu'un qui vient dans un marché qui, fait exploser ses éléments. Mais par contre, Barnawi, la brèche de Barnawi a une particularité, elle s'attaque aux cibles militaires. Ça, c'est clair, c'est toujours comme ça. Quand vous voyez des civils tués, ce n'est pas la branche de Barnawi. Et c'est même ça qui a fait le problème entre Al-Barnawi et Aboukar Shekau. Parce que l'État islamique a dit que non, Aboukar Shekau, il est trop sanguinaire, il est trop barbare, ça, ce n'est pas dans l'objectif de leur combat. Et Al-Barnawi, lui, il a dit non, on ne tue pas les civils, on ne fait pas exploser les kamikazes dans les mosquées, on ne fait pas exploser les kamikazes dans les marchés, on s'attaque aux cibles militaires. Et dès que vous voyez une cible militaire attaquée, ce que c'est la branche de Barnawi. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est le poste de gendarmerie. Ils ne sont pas partis dans un marché, ils ne sont pas partis dans une mosquée se faire exploser. Non. Donc, quelque part, cette branche de, de, de, al cherche à avoir un peu peut-être de la sympathie auprès des, des, populations. pour dire que bon, voilà, nous, on ne tue pas les civils, nous, on s'attaque aux cibles militaires. Mais quand même, ça veut dire que ce qui s'est passé au DIFA, ça amène à, à, réfléchir, à revoir le dispositif. Parce que des gens qui rentrent comme ça, selon certaines personnes, les signalements ont été donnés sur des individus suspects qui rentraient. Et ils ne sont pas rentrés à 2h du matin, c'est vers 21h. Donc, oui, 21h, c'est quand même. C'est pas, la, pas la grande nuit, hein, c'est pas, pas tard. Donc, mais qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que ça peut être aussi facile C'est ça que la, RG militaire doit se, doit, se, poser comme question. Comment est-ce que ça peut être facile de rentrer, de faire rentrer. Dans une zone sous état d'urgence Moi, je peux comprendre, on peut traverser la Komadougou. Oui, mais rentrer dans Difa, mais comment ça peut se faire Expliquez-nous comment. Voilà. Euh, euh, Bokar Il y a un aspect qu'il faut retenir, euh, vraiment, en tout cas, dans cette question du terrorisme, c'est que il y a une complexité terrible sur le terrain qui fait qu'on ne peut pas vraiment dissocier les différents éléments. Mm. C'est très difficile. Même pour les spécialistes. Mais, quand quelqu'un dissimule hein, une arme, on peut. Euh, non, ce non c'est pas facile. C'est-à-dire que quand vous observez, par exemple, aujourd'hui, pour un militaire qui a été envoyé sur le terrain, comment peut-il faire la différence entre un civil à défendre et un terroriste potentiellement agressif C'est très difficile. Et ils sont tous dans la ville. Mais ils ont le, droit, ils ont le droit de fouiller ils ont le droit de, fouiller, mais la fouille aussi est très difficile parce que quand vous l'approchez souvent, ces gens se font exploser. Je vais vous donner un exemple. À Difa, il y avait deux terroristes qui étaient là, qui ont le crâne rasé. Le plus souvent, le signe distinctif, c'est qu'ils ont toujours des crânes rasés parce qu'on leur fait une fatwa, on, on leur euh, rase les crânes, on leur coupe les ongles, on le lit le Coran, on fait déjà leur fatwa, on les envoie sur le terrain avec des bombes. Maintenant, quand les populations ont indexé, ils ont dit ces deux-là sont des éléments de Boko Haram. Euh, le militaire s'est levé, le garde il est parti vers eux. Maintenant, quand il est parti vers eux, voulant les interroger, l'un a fui, l'autre s'est fait exploser. Et le deuxième qui a fui, il est venu rentrer dans une boutique où il y a un monsieur. Voilà, et dans la boutique, il y avait même une vendeuse de beignets devant la boutique. Paf, il s'est fait exploser et du coup, il a tué cinq personnes. C'est pour vous dire que c'est très difficile pour un militaire qui n'a pas une euh, formation spécifique en matière vraiment d'identification des terroristes. Un élément qui a vraiment une formation basique sur le terrain, qui a été formé à tenir d'aller vraiment faire le distongo, dans une région où il ne maîtrise pas la langue, dans une région où il ne maîtrise pas la, vraiment la culture, voyez-vous, de faire la différence entre les gens. Mais est-ce que euh, les, actifs euh, de la région de Difa peuvent être mis à contribution voilà le plus grand problème. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait demandé à tout moment, c'est qu'il y ait une communication entre l'armée et la population. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que cette, euh, vraiment, en tout cas, euh, cette proposition, vraiment, en tout cas, a du mal à prospérer. C'est-à-dire c'est très difficile. Les militaires, quand ils viennent, mais souvent, c'est légitime. Eux-mêmes, ils ont peur, c'est des humains, voyez-vous. Et il y a la barrière linguistique, il y a la barrière culturelle, il y a tous les éléments là qui bloquent voyez-vous, vraiment, en tout cas, cette intégration. Mais aussi, quand ils viennent, ils ont toujours vraiment, en tout cas, cette vision, eux aussi, bon, ils ont euh, leur vision à eux, selon lesquelles, vraiment, en tout cas, tous ceux qui passent sont potentiellement des terroristes, des trucs comme ça. Donc, ils se posent un problème. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne va vous dire le contraire. Il n'y a pas de complicité entre la population et l'armée. Il y a un véritable problème. Non, non, non, il n'y en a pas. Vous comprenez Le plus souvent, les gens ont peur de dénoncer les éléments de Boko Haram. je vais vous donner un exemple. Une information très précise. Ceux-là qui sont venus récemment vraiment de Ngagam, de Kenjandi et autres là, vers Difa, les réfugiés. C'est à l'intérieur des réfugiés qu'il y a même les terroristes. Hmm. C'est ça le problème. Les terroristes ne sont pas venus du ciel comme ça, ex nihilo. Non, ils sont le plus souvent dans, au sein même des réfugiés. Vous comprenez Et la fille qui s'est fait exploser à là on m'avait dit que c'est une bonne. Elle travaillait pour la famille des gendarmes. Mais elle a été recrutée parmi les réfugiés qui sont à Ngigimi. Et c'est quand elle a décidé vraiment, en tout cas, de mettre en, pratique euh, son plan, elle est revenue la nuit, toquer à la porte, vraiment, en tout cas, de la famille du gendarme. Et Madame a et paf, elle a activé sa, charge. C'est pour vous dire que c'est très difficile. Étant dans un studio à Niamey, quand on essaie vraiment de commenter, ça vous paraît très facile. Mm. Mais sur le terrain, d'abord, c'est très difficile de faire la différence entre Harry, Boukar, Maman, Issouf et autres. Mm-hmm. Parce que qui est terroriste, qui ne l'est pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mm. À vue d'eux, vous ne pouvez pas le savoir. Hassan Boukar, comment faire pour ramener la confiance, pour, pour euh, restaurer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité Vous voyez bien, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce conflit, quand même, ça fait des années maintenant, euh, 4-5 ans peut-être, mais on se rend compte que du point de vue du travail qui consiste à communiquer à l'endroit de la population pour que la population puisse euh, collaborer davantage avec l'armée qui est là pour sécuriser la population, distinguer l'ennemi qui est Boko Haram de l'armée qui est l'ami, donc vers lequel la population devait aller, on n'est pas arrivé à, le faire. Je suis entièrement d'accord avec Sidi qui, qui dit. Mais ce travail, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer et réussir. Il, est extrêmement difficile de gagner ce type de guerre si on n'a pas la population. Pourquoi c'est difficile de distinguer, euh, Sidi qui l'a dit, mais certains combattants de Boko Haram, c'est quand même des gens de la région. Ils connaissent bien la région, ils connaissent la population, les gens les connaissent, tout ça. Alors, dans ce cas, pour gagner cette guerre, euh, il y a des choses qui ne, sont pas, euh, qui ne vont pas d'elles-mêmes. C'est-à-dire que dire nous sommes des FDS, nous arrivons dans la région, que le gouvernement les déploie sur le terrain pour dire c'est nous qui sommes là pour sécuriser, les autres sont des ennemis, ça ne va pas de soi. Il y a une communication, il faut travailler la communauté, il faut absolument euh, montrer que la peur c'est, euh, comment on appelle ça, ils doivent avoir beaucoup plus confiance à l'armée. La peur qu'ils ont aujourd'hui, elle va être durable s'ils ne collaborent pas avec l'armée pour éradiquer le mal. Et puis, on va toujours être là. Finalement, les populations vont avoir peur. D'abord, il y a des soupçons de l'armée. Comme Sidi le dit, sur le terrain des, des, combats, l'armée aussi soupçonne les gens. Et donc, les populations civiles, elles sont prises entre deux feux. D'abord, l'ennemi Boko Haram qui est là, quand, quand, quand il dénonce tu as peur qu'il revienne la nuit quand l'armée n'est pas là pour te liquider. Tu n'es pas, tu pas protégé. Puis, si tu veux, maintenant, l'armée elle-même, parce qu'elle ne maîtrise pas nécessairement le terrain, tu peux soupçonner, parce qu'elle a du mal à distinguer peut-être euh, l'ennemi des pauvres populations victimes, elle aussi, elle fait des soupçons. Et du coup, les victimes, ce sont les populations civiles à ce niveau-là. Alors, si on ne travaille pas aujourd'hui euh, à, communiquer, à sensibiliser la, euh, population sur le type de collaboration qu'elle peut avoir avec l'armée. Savoir que oui, les gens ont peur, mais s'ils ne collaborent pas, cette peur-là va être durable. Eh bien, pendant longtemps, on ne peut pas. Il y a des types de guerres que vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas l'opinion. L'opinion de la communauté, si vous l'avez, vous avez déjà un pas de gagner. Mais lorsque vous avez un ennemi qui n'est pas très visible, qui se confond à tout le monde, eh, c'est extrêmement difficile. Garé Abadou, euh, lundi déjà, 20 présumés éléments de Boko Haram à pied ont attaqué le domicile du chef du village de Toumour. Euh, comment expliquer la facilité d'accès à cette localité par les groupes armés non étatiques malgré l'état d'urgence Oui, d'abord, il, faut, savoir que effectivement, euh, la lutte contre le terrorisme, comme je l'ai dit, je vais le répéter, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système infaillible. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2015 en France n'est-ce pas L'attaque du Bataclan, Charlie Hebdo, etc. etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus en pleine période de lutte contre le terrorisme avec la guerre en Afghanistan, en plein eh, dispositif de sécurité en France, qui sont venus, qui ont perpétré, qui ont 120 et quelques personnes. Et la France, est une des plus grandes armées du monde. Donc, avec un dispositif qu'on suppose être infaillible. Et pourtant, ils sont rentrés par la Belgique, n'est-ce pas Ils sont venus, ils ont fait leurs attaques. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué. En plus, le pire, c'est que là, vous avez des combattants qui ne sont pas en tenue normale, je veux dire en tenue de guerre, avec des treillis, des... non, non, non, qui sont parfois habillés avec djellabia, la bombe est dessous, avec des armes. Donc c'est extrêmement compliqué. Pour l'attaque du village, 20 éléments, quand même, c'est pas un élément, c'est pas deux éléments. Ça veut dire que quelque part, quelque part, des gens n'ont pas dénoncé par peur. Parce que les villages frontaliers, c'est pas facile pour des gens de dénoncer parce que Étant donné que, comme l'a dit Boukara, les éléments de Boko Haram et les cellules dormantes, les éléments sont au sein de la population, dès que vous dénoncez, on va savoir qui a dénoncé et la nuit, on va venir, soit on tue vos parents ou on fait quelque chose. Le ministère des enseignements secondaires, dans sa circulaire du 1er avril 2019, interdit strictement au sein des établissements scolaires publics et privés les cours rémunérés à l'intention des élèves. Interrogé au téléphone par Ataï Rafika, le directeur général des enseignements Inous Garba a déclaré que cette pratique des enseignants est contraire à l'éthique professionnelle effectivement une pratique qui est en train de prendre de l'ampleur. Cela ne veut pas dire que le professeur qui délibérément tant que ses élèves sont en retard dans son programme, il n'y a aucun inconvénient. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas seulement au secondaire, il parti jusqu'au primaire, ou maintenant pour que l'élève se sente à l'aise en classe. Et pour qu'il ait des bons notes, il faut nécessairement que cet élève soit inscrit dans des groupes que les professeurs créent en fonction des disciplines, moyennant une certaine euh, somme forfaitaire. Et tout cela, il ne part participent pas à ces cours-là sont mal vus en classe. Nous avons dit qu'on est en train de dévier par rapport à l'éthique de l'école et qu'il faille y mettre fin. Si nous disions qu'une pratique malsaine qui se passe dans ce domaine-là et qu'il faille arrêter, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne va pas faire. Et si quelqu'un refuse, il y a la sanction, on écrit. Cette euh, déclaration mal comprise par les scolaires a été le prétexte pour brûler des pneus mardi à Niamey. Suivant les explications de Boubacar Idrissa, secrétaire général de la sous-section USN du lycée Issa Korombe, au micro de Eternan Foudé Ahmed. Ils ont vu que la police a commencé à les cogner. C'est le moment où la situation a dégénéré. Mais nous, nous n'avons jamais dit de lancer un mot d'ordre de casse. Tout ce que nous avons dit, nous voulons réclamer nos droits qui n'est rien d'autre que nous sommes des fils de pauvres. Nous ne pouvons jamais accepter à ce qu'on dit qu'on enlève nos cours privés. On ne peut jamais l'accepter. Nous ne pouvons pas être d'accord. Quelles que soient les conséquences, nos droits, nous allons les revendiquer. Vous avez le nombre de camarades blessés ou bien le nombre de vos militants arrêtés On n'a pas le nombre exact. Mais tous ces conséquences au niveau du cassé, au niveau du les camarades ont été arrêtés. Une autre situation, là, vous avez brûlé des pneus sur les goudrons. C'est parce que les camarades ont été cognés. Après, ils ont voulu se révolter. Et nous avons eu à gérer la situation parce que nous avons dit d'arrêter de brûler les goudrons. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes là uniquement pour étudier. Gary Amadou, votre commentaire après avoir écouté les deux parties Oui, il faut dire que euh, d'abord concernant la mesure du ministère de l'enseignement secondaire, moi je la trouve juste. Parce que je vais vous dire quelque chose. Imaginez un enseignant qui est censé donner cours dans une école, qui est censé donner le meilleur de lui-même. S'il donne le meilleur de lui-même, il n'a pas besoin en réalité de faire de cours privés. Ça veut dire quoi au, sein de l'établissement. Mais ça veut dire qu'il donne un enseignement au rabais et il se réserve pour ceux qui ont de l'argent pour donner par exemple des astuces pour résoudre des équations, j'imagine quelque chose comme ça, Ou... Vous voyez, c'est ça qui est malsain. Euh, qui peut, qui, peut amener au euh, et autres il composition. quand même, s'il a des astuces pour résoudre les occasions, il doit dire ça à tout le monde au, moment où il donne des cours dans le public. Mais pourquoi vouloir encore en plus de ce qu'il donne Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même son insuffisance au sein de l'établissement euh, public dans les cours normaux. Il reconnaît son insuffisance et c'est ça qu'il dit Ah oui, donc ce que je vous fais, c'est pas très bon, mais je peux vous faire un bonus si vous avez de l'argent je peux vous... Ceux qui ont de l'argent. Mais, mais, est-ce que cette décision du ministre, du ministre des Enseignements secondaires est aussi opportune Moi, pour moi, l'opportunité, elle n'est pas opportune. Pourquoi je le dis Pour moi, il aurait dû laisser jusqu'à la rentrée prochaine, puisque l'année est en train de finir. Pour ont que l'opportunité, c'est catégorique, elle est inopportune. L'année est en train de s'achever, il y a les examens qui se préparent, des gens qui ont déjà payé des cours, n'est-ce pas, à des, à enseignants. Laissez-les finir, mais vous dites que, bon, vous, prenez la mesure, vous dites qu'elle prend effet à partir de la prochaine rentrée. Ça, on peut comprendre. Mais vers la fin de fin de l'année scolaire, dire que des enseignants qui ont déjà commencé à donner cours, dire non, non, il faut arrêter, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi j'appelle les ministres parfois, avant de prendre certaines décisions, franchement, eh, il, faut... il faut dialoguer, il faut communiquer. Non, mais non, il faut faire même une analyse. C'est-à-dire que ce n'est pas intelligent de, de, dire que la mesure s'applique dès maintenant. Non. Pour moi, ce qui aurait été judicieux et, vraiment euh, assez, assez euh, euh, en tout cas intelligent, c'est de dire que non, ça prend effet à partir de la rentrée prochaine. Désormais, les cours privés ne seront plus tolérés. Les professeurs seront appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les élèves puissent avoir le maximum de connaissances et faire face aux examens. Pas donner des enseignements au rabais et réserver l'autre enseignement de qualité à ceux qui ont de l'argent. Non. Voilà. Hassan Boukara, cette décision suffit-elle à mettre l'effet à la poudre ou bien y a-t-il d'autres explications Je pense que la conclusion, c'est l'intervention de cet officiel du ministère qui dit on va faire les sanctions. Il n'y a rien de plus facile que les sanctions. Mais les sanctions, ça ne résout pas les problèmes. Il faut, il faut... Moi, j'ai vu ce problème dans un établissement privé, primaire de la ville de Niamey. Euh, tout de suite, j'ai considéré que ce n'était pas une bonne chose. C'est-à-dire que j'ai enseigné dans une école, puis je donne des cours privés dans la même école. Qu'il y ait des enseignants qui ne sont pas dans l'établissement, c'est-à-dire des enseignants qui sont ailleurs, qui ne connaissent pas les élèves, qui viennent, qui enseignent. En ce moment, ça ne crée pas nécessairement un rapport de clientélisme entre les élèves et l'enseignant, qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, moi, dans cette école, je me suis opposé et l'école, finalement, a arrêté. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais regardons aujourd'hui la situation des enseignants qui ont été clochardisés pendant des années. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui, la chose la plus sûre, c'est ce que tu gagnes à travers un cours privé, pas le salaire. Et donc, aujourd'hui, on a créé aussi une situation telle que pour les enseignants, face au coût de la vie, face à des salaires incertains, quand tu viens, tu enseignes, tu fais des cours privés, tu as caché à la fin du mois. Euh, mais regardez, pourquoi ça prend de l'ampleur Plus l'école publique se dégrade, plus ce type d'initiative prend de l'envergure et finalement, les élèves, euh, écoutez un peu ce que les élèves disent. Moi, j'en ai entendu des élèves qui disent oui, mais eux, les dirigeants, ils ont leurs enfants ailleurs, ils les ont amenés dans des meilleures écoles. Cette école-là, elle est moribonde, elle ne donne rien. Nous, on a besoin de ces cours privés pour renforcer ce que nous faisons en classe. Et donc, plus l'école publique ne donne pas de bons résultats, donc, ça, veut que, ça veut dire que c'est euh, un échec euh, du système scolaire de C'est évident. Quand, quand l'école publique marche très bien, très peu de gens avait besoin d'aller prendre des cours privés. Maintenant, on est arrivé à une situation. Ok, moi je comprends bien, d'un point de vue éthique, c'est pas bien. C'est-à-dire que j'enseigne les élèves, les mêmes élèves, je leur dis, revenez faire des cours privés. Mais j'ai besoin aussi de justifier l'argent que me donnent leurs parents. Si j'ai fait des examens, il faut qu'il ait des bonnes notes. C'est ça qui permet de continuer de perpétuer le système pour que leurs parents aient confiance et qu'ils se disent que oui, c'est utile parce qu'ils gagnent des bonnes notes. Mais le ministère devait aussi discuter avec les enseignants. C'est-à-dire que vous discutez, vous dire ce système n'est pas acceptable du point de vue éthique. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui enseigne les élèves revienne faire des cours privés et en ce moment, il distingue ce les parents sont capables de payer pour que leurs enfants viennent aux cours privés et ceux qui ne se contentent que des cours en classe. Ça fait un problème du point de vue éthique. Mais il faut discuter la, la, solution. Le fait de dire, moi je suis un ministère, et eh bien je considère qu'à partir d'aujourd'hui j'arrête, c'est ça les conséquences. On n'est pas obligé de passer par cette voie-là. C'est mauvais, mais discutons sur la réponse. Euh, il faut impliquer les chefs d'établissement, il faut discuter avec les gens en disant ça, ce n'est pas acceptable. Quelle est à votre avis la solution On peut trouver une solution consensuelle. Ça nous aurait mis à l'abri de ces pneus, cette fumée dans la ville de Niamey, ces pneus. Je pense que c'est la démarche qui manque et la démocratie enseigne ça c'est de respecter. Tu n'as pas de sujet dans une démocratie, tu as des citoyens. Tu discutes, il y a des acteurs de l'éducation. En d'autres temps, on a discuté avec eux. Il faut discuter avec eux en leur disant ça, ce n'est pas acceptable. Je pense que les parents d'élèves peuvent aussi soutenir cette décision du ministère disant ce n'est pas moral. Mais alors, il faut discuter pour trouver une réponse consensuelle. Boukara Sedikali, comment mettre fin, euh, comment euh, remettre l'école sur les rails alors euh, qu'il n'y a apparemment pas de dialogue entre le pouvoir, les syndicats des enseignants et les scolaires eux-mêmes remettre l'école sur les rails, ceux qui l'ont enlevé des rails, certainement, ils ont la solution. <laughs> Moi, je n'ai pas une solution magique. Mais ce qui est sûr, donc, il faut retenir dans tout cela, vraiment, un aspect très important. À travers tout ce débat-là, à travers tout ce méli il y a toujours en toi le fond la misère. La misère dans laquelle aujourd'hui végète le corps enseignant. La misère aujourd'hui qui n'est pas quand même euh, euh, quelque chose qu'il faut négliger. Parce que euh, de l'enseignement même en général, vous comprenez. Aujourd'hui, pourquoi forcément c'est les enseignants aujourd'hui qui se trouvent dans cette situation parce que d'abord, il faut euh, reconnaître que, que c'est une activité très ingrate, difficile, ingrate, mais aussi une activité qui est noble, l'enseignement. Tous, nous sommes des produits de l'enseignement ici, de l'éducation. vous sans l'enseignement, sans l'éducation, certainement que nous n'aurions pas été euh, vraiment, en tout cas, place. ici, à notre place ici, dans ce studio-là. Mais le problème, c'est que, euh, quelque part, cette noblesse est en train de prendre le coup avec certaines pratiques. Les pratiques que le ministère vient de dénoncer, le ministère vient de dénoncer. Par exemple, personne aujourd'hui, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui est vraiment moralement équilibré, ne peut pas justifier le fait que l'enseignant arrive à marchandiser aujourd'hui sa fonction d'enseignant. Ce n'est pas une bonne chose. Ça porte atteinte à l'éthique, oui. Ça porte atteinte à l'égalité des chances des élèves devant vraiment, en tout cas, les examens. Oui. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Mais le problème, tout à l'heure, vous avez posé la question à Gary. Est-ce que c'est opportun Non, ce n'est pas opportun parce que nous sommes dans une période sensible. Parce que, quelque part, l'État du Niger est en train d'avancer vers l'organisation des examens de fin d'année. Quelque part, il y a aussi, il reste moins de 80 jours, à peu près 70 ou quelque chose comme ça, nous allons organiser la conférence de l'Union africaine. Voyez-vous, ce n'est pas bon en cette période sensible de voir les, agitations. enfants dans la rue, les enfants. Voyez-vous. Et surtout que vous avez affaire à un secteur très sensible, le secteur vraiment en tout cas des scolaires vous cest C'est-à-dire qu'il faut voir ces gens-là quand ils descendent dans la rue, c'est spontané, c'est instantané. Quand ils descendent dans la rue, ce n'est pas vraiment pour faire vraiment en cas preuve de retenue. Eux sont en colère, ils sont fâchés, c'est des enfants. Il faut essayer de les ménager. Et comment les ménager Il y a toujours des étapes à suivre. Tout à l'heure, les deux ont dit le dialogue. Il faut appeler les partenaires de l'école. Ils sont là, les syndicats sont là, les parents d'élèves sont là. Voyez-vous un problème Voilà un problème social qui est là qui est en train de gangréner le secteur de l'enseignement, par exemple le cours privé, Qu'est-ce qu'il faut faire Chacun va donner son avis. Au lieu d'aller directement, par exemple, vers la, circulaire, vers la sanction, non, on peut aujourd'hui proposer eh, une formule intermédiaire. Par exemple, un arrêté peut sortir pour encadrer, par exemple, l'exercice de l'enseignement privé. L'enseignement privé, tout le monde le fait. Euh, j'ai dit le, le, cours privé, pardon. Voyez-vous Mais il y a des problèmes plus sérieux. Le problème aujourd'hui des écoles privées, par exemple. Pourquoi aujourd'hui le ministère n'a pas pris, par exemple, le problème de, l'enseignement privé, des écoles privées Aujourd'hui, une école privée peut, du jour au lendemain, augmenter, doubler même les frais. Ce n'est pas euh, aujourd'hui. Euh, mais ça, là. C'est un problème sérieux qu'on peut régler. Du côté des enseignants du supérieur SNEX, cette question d'élection des responsables académiques est source de blocage. Hassan Boukar, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a appelé les deux parties à renouer le dialogue face à l'impasse. Euh, comment expliquer la posture des enseignants qui exigent l'élection en euh, directeur et celle du gouvernement qui ne veut procéder, qui veut procéder à des nominations Plutôt pour moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la position du gouvernement. En fait, euh, cette, réforme-là. J'ai écouté un peu la communication des anciens chercheurs qui se sont mis subitement à beaucoup communiquer. Hein. On a, ces derniers temps, à travers des conférences, euh, parlé un peu des difficultés de gestion, de l'insuffisance des moyens, etc. Alors, une réforme aujourd'hui qui vise à ce qu'il y ait moins de démocratie dans les universités, euh, j'ai du mal à comprendre quel est, quel est l'enjeu. les enseignants ont parlé de politisation de, des universités. Oui, on, parle de politisation, mais il y a combien d'universités Il n'y a qu'une université dans chaque région, il n'y a, que huit. Euh, politisées, ça suppose euh, cette vieille habitude de placer des amis, des parents, des acteurs politiques sur des postes. Mais c'est huit postes on cherche peut-être à, contrôler les universités, peut-être, ou alors placer des gens qui vont gérer les ressources qui vont être allouées aux universités. Mais aujourd'hui, moi, je pense que un peu partout dans les milieux universitaires. C'est quand même des milieux particuliers, hein, les milieux universitaires. C'est quand même les milieux de l'élite où les gens ont, une certaine distance, ils ont une certaine autonomie, autonomie pour se gérer. Euh, c'est vraiment l'élite, quoi. Alors, on a déjà laissé les universités faire des élections. L'université de Niamey, ça fait longtemps. L'actuel recteur, c'est quelqu'un qui est élu par, par ses pairs, par ses, par ses collègues. Et donc, aujourd'hui, dit qu'il faut faire des réformes pour avoir quelqu'un qui est nommé à l'UEPLA des gens élus, je continue à me poser la question de pourquoi il y a, il y a ça. Et là, euh, puisque maintenant on parle des réformes, j'imagine que ce n'est pas le seul aspect, puisque là le gouvernement dit qu'il va envoyer une loi pour des réformes. J'imagine que la réforme ne constitue pas simplement à dire que désormais les réacteurs seront nommés. Il y aura d'autres choses. Ça arrive aussi, malheureusement, à un moment où la communauté universitaire n'est pas très unie. Euh, regardez le conflit récent entre enseignants et étudiants. Or, la communauté universitaire, c'est à la fois le personnel technique, l'administration, les, enseignants et les étudiants, c'est tout ce beau monde aujourd'hui. Alors, si on considère qu'il y a une politique euh, qui n'est pas soutenable, qui vise l'enseignement supérieur, je pense que ça concerne toute la communauté universitaire. Mais vous voyez bien, les étudiants, si j'ai bien compris, ils mettent dos à dos à la fois euh, le, gouvernement, et, les, enseignants. pour dire vous prenez l'école euh, en, otage. Et donc, moi, franchement, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est plutôt cette position du gouvernement qui parle de réforme en ce moment. Gary Amadou, rapidement, avec euh, cette crise, ce sont plusieurs semaines de cours asséchés. Est-il facile de rattraper le temps perdu Oui, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais quand même revenir sur les cas qui ont eu lieu quand même au niveau de Niamey. Le leader des étudiants dit que oui, oui, c'est parce que on les la police les a chargés, c'est pour ça qu'ils ont brûlé les pneus. Les pneus ne sont pas tombés du ciel, hein. les pneus on les prépare. Est-ce que vous comprenez donc il y avait pratiquement la préméditation. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi j'étais au niveau du rond-point à Niquara. Les étudiants ont fait arrêter le bus du scolaire en plein milieu de la route pour barrer la route, pour faire descendre les étudiants. À présent l'enseignement ah, supérieur. C'est pas normal qu'on puisse accepter ces situations-là. L'enseignement supérieur, je crois que l'animation des recteurs le Niger fait partie des rares pays de la sous-région où les recteurs sont élus. C'est les rares. Je crois qu'il n'y a que le Niger et le Bénin. Mhm. et le, oui, oui, il n'y a que le Niger et le Bénin. Tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, là, ils sont nommés. Et les enseignants supérieurs le savent. Les enseignants supérieurs, ils le savent. Est-ce une raison de bloquer euh, Non, non, non ce n'est pas une raison de bloquer. Maintenant, ce que je dis, c'est que euh, euh, dans le cadre de la prise de mesure, le gouvernement, il a quand même la tutelle de l'enseignement supérieur. C'est à lui de donner une directive. C'est lui qui, lui qui dit, qui dicte la conduite à, à suivre. Est-ce que vous comprenez C'est lui qui trace les lignes. Ce n'est pas les enseignants qui tracent la ligne. Non, non, non. C'est le ministère de l'enseignement supérieur qui a en charge le développement et l'avenir de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas les enseignants. Les enseignants doivent dispenser des cours. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas rien, mais je dis qu'il faut instaurer quand même un dialogue entre les enseignants euh, du supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur. Parce que pourquoi Parce que ce blocage-là, je crois qu'il ne va pas, il ne va pas profiter ni au gouvernement, et il ne va pas profiter aussi aux enseignants, il va peut-être pénaliser les étudiants. C'est pourquoi je pense qu'il faut se mettre à table pour discuter et voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le cadre, par exemple, de, ces mesures-là, tout en prenant en compte, j'ai dit bien, l'aspect fondamental que le Niger et le Bénin constituent les seuls pays d'Afrique de l'Ouest où les recteurs sont élus. Boukar Sedikali, comment voyez-vous les lendemains dans les, universités publiques du Niger Moi, il y a un aspect que j'ai toujours euh, refuté c'est-à-dire, j'ai refusé de cautionner. Euh, c'est-à-dire, euh, le corporatisme là, à outrance n'a jamais arrangé, voyez-vous, les affaires. Quand vous prenez l'université, vous dites, par exemple, c'est un corps d'élite, c'est ceci, c'est là, il y a une certaine franchise, c'est ceci, c'est là. Non. Vous savez, euh, l'État a le monopole de la gestion de l'administration. L'université, c'est l'administration. C'est un autre que vraiment un pan de l'administration qui est chargé de mettre en œuvre la politique vraiment, en tout cas, d'enseignement supérieur. Voyez-vous Et on ne peut pas aujourd'hui priver l'État de ce pouvoir de contrôler l'université vraiment et tout le personnel qui est dans cette université. Aujourd'hui, des enseignants chercheurs. Mais est-ce que, cette, que cette crise ne peut pas être évitée en dialoguant Par exemple, le dialogue, c'est une bonne chose. Moi, justement, j'ai toujours dit un ministre qui ne dialogue pas n'est pas un bon ministre. Vous comprenez Surtout quand vous avez affaire à des adultes, à des gens initiés, comme des enseignants chercheurs. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous parlez aussi de, de, la politisation, vous savez, l'université a été toujours politisée. Et par qui, par exemple Pas seulement par le gouvernement. Aujourd'hui, l'université est devenue le théâtre de lutte des partis politiques. Même les enseignants-chercheurs dont vous voyez, aujourd'hui, on peut facilement indexer un enseignant-chercheur, dire qu'il est de tel courant, il est de tel parti, ceci, cela. L'opposition cherche à recruter des enseignants-chercheurs, de l'autre côté, le pouvoir cherche. Et pour le pouvoir, c'est de bonne guerre. Mais chacun veut contrôler l'université parce que c'est le centre de savoir. En contrôlant l'université, on se dit carrément, euh, quelque part que vraiment nous avons vraiment en tout cas une élite qui peut venir vraiment apporter une valeur ajoutée quand même au fonctionnement du parti politique et par ricochet avoir une certaine influence sur l'université qui a quand même 30 000 à 34 000 quand même étudiants. Vous comprenez Mais c'est que... je pense que euh, à, travers, euh, quand, on, quand on nomme un recteur, mais on ne peut pas contrôler les anciens chercheurs armement. On peut contrôler simplement l'administration. La gestion. Juste la gestion. Mais le personnel, tu ne peux pas le contrôler. Ce n'est pas possible. Ah, ça, revient à, se poser la question pourquoi les enseignants s'agitent Puisque ce n'est pas pour les contrôler. L'administration, c'est l'État qui a l'administration. c'est l'État qui finance. Mais c'est l'État qui finance. Mais il y a quelque part euh, euh, aussi il y a une, erreur de l'État. C'est-à-dire que la démocratie a eu outrance, dans tous les secteurs, nous a amenés dans une situation où on ne contrôle absolument rien. Et c'est maintenant qu'on veut rattraper à travers des réformes. vous savez, le plus souvent, euh, c'est quand il y a des crises qu'on parle des réformes. On dit non, réformer l'université parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les enseignants sont vraiment en tout cas en arrêt de cours. les étudiants, c'est cela. Et les réformes, il faut les imaginer bien avant. voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Boukara Sedikali, journaliste et analyste politique, Hassan Boukar de la radio alternative et Garé Amadou du quotidien La Nation. Merci aussi à, tous les auditeurs du studio Kalangou pour votre fidélité. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.